mes encouragements. Merci. Coach, pour ce match que vous venez de perdre contre le Sénégal. En fait, euh, dites-nous quel renseignement euh, tirer de ce match. Oui, c'était un match très important pour nous, pour mesurer notre niveau actuel. Et surtout, je viens de commencer comme coach de l'équipe de Niger. Et malgré les, difficultés qu'on a pour euh, convoquer le joueur, parce que ce n'est pas une DATIFA, on a presque cette absence importante. Même le bon touche n'était pas euh, équilibré pour nous. Mais je tiens à féliciter mes joueurs. Grâce à le courage, grâce à. Ils ont appliqué notre euh, tactique face à une grande équipe comme Sénégal ou face à une équipe qui, qui est championne d'Afrique. La première mi-temps, nous étions bien placés, bien organisés. On a une ou deux occasions claires et nettes. On n'a pas profité. Mais je pense la deuxième mi avec le rythme qu'il pose le Sénégal et, comment, j'ai dit, nous sommes en, en, difficulté. On commence notre effort à se baisser et on a payé ça euh, vers les dernières secondes, la dernière minute. On a perdu. Mais c'est une perte qui, je, tiens beaucoup de conclusions positives. Et ce n'est pas facile de se faire en face contre une équipe comme Sénégal ici. Merci, coach. À présent, euh, si vous avez des questions à poser, vous présentez et puis vous la posez. Bonjour, merci. Euh, coach, je m'appelle Abdoulaye je suis journaliste à euh, Sud Quotidien. Euh, c'est un très grand nom. Merci. Et félicité pour toute l'Afrique. Vous avez deux Coupe du Monde, trois, quatre Coupes d'Afrique, si je ne m'abuse. La dernière, c'était au Sénégal en 1992. Euh, vous avez aussi entraîné deux fois le Maroc, le Soudan et aujourd'hui le Niger. Euh, qu'est-ce qu'il faut pour que davantage nos autorités comprennent que l'expertise locale aussi est aussi valorisante que celle, qui vient de l'extérieur euh, La deuxième question, Karassi, si me permet. Euh, vous avez rencontré le Sénégal, il y a trois nations jusque-là qui ont eu à remporter deux fois une Coupe d'Afrique d'affilée. C'est le Ghana, c'est l'Égypte et c'est le Cameroun. Est-ce que ce soir, vous vous dites que vous allez rencontrer une équipe future championne d'Afrique au soir du 11 février ou bien c'est juste un match amical euh, qu'on peut tous tirer des enseignements qu'on vous Merci. Non, je pense pour la première question. Euh, les cadres locaux, locaux ils ont montré qu'ils sont capables de prendre la responsabilité. Et l'exemple, c'est à Sissi, moi-même, euh, ça fait longtemps, et il y a aussi en Égypte, je, pense, les, équipes nationales, euh, euh, ils font de bons résultats avec des entraîneurs locaux. Et pourtant, une deuxième question, que je ne me rappelle pas, de si, le Sénégal est capable, oui, le Sénégal est capable. Il a euh, des grands joueurs euh, qui jouent dans différents euh, grands clubs en, Europe. Et c'est pas pour maintenant. Ils ont, le public, il, attend de gagner Niger par 4 ou 5 à 0 avec un spectacle. Non, non, non, le football n'est pas comme ça. C'est une grande équipe. On, nous étions tactiquement bien. On a fait comme des problèmes pour l'équipe singale pour, pour qu'ils trouvent euh, des, solutions. Mais c'est un match amical. Nous, il faut qu'on travaille beaucoup pour qu'on arrive à certains niveaux pour qu'on fasse face à des, équipes euh, à ce genre. Mais de, douter de votre équipe Sénégal, non, ce n'est pas le moment parce que c'est une équipe qui a confirmé dans plusieurs euh, compétitions. <coughs> Oui. Oui, Bonsoir. Bonsoir coach, c'est Sorejam, journaliste à la radio du Média. Alors mon confrère l'a dit tout à l'heure, euh, vous êtes euh, quelqu'un qu'on vous présente plus sur, euh, dans le football africain. Et vous connaissez également très bien la compétition en vue, c'est-à-dire le championnat, euh, la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, vous avez joué contre l'équipe tenante du titre. et aussi, vous connaissez très bien une équipe euh, euh, marocaine qui est demi-finaliste mondiale. Aujourd'hui, selon vous, quelles sont les chances de ces deux grandes équipes qui seront très attendues à cette quatrième e édition de la CAN Merci. Mais de juger maintenant, c'est plutôt. Il faut attendre le premier tour qui passe pour voir le niveau des autres équipes qui sont aussi parmi les favoris. Je pense qu'il n'y a, pas, il n'y a pas seulement le Maroc ou le Sénégal, il y a aussi l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire. c'est une euh, compétition qui est chaleureuse. Donc, euh, euh, pour moi, le Sénégal, parmi parmi les favoris, à cause de l'expérience qu'il a, à cause euh, des joueurs qu'elle a, qui évoluent dans des, grandes équipes, et c'est le tenant de, le titre euh, actuel. Mais pour juger euh, maintenant, c'est trop tôt. les chances, si on parle des chances sur les papiers, on peut dire un final contre le Maroc, le Maroc et le Sénégal, le quatrième au monde et le, tenant du titre actuel. Mais le football, euh, toujours, euh, il te laisse te parler, il te montre le contraire. Merci. Nous prenons deux autres questions. Oui. Bonsoir, coach. Bonsoir. Alors, en sortir euh, de cette rencontre, pourquoi d'abord le choix porté sur le Niger parce que, comme l'a dit mes confrères, on ne quitte dit comme mes confrères tout à l'heure, ne présente plus sur la scène continentale, la même mondiale. Pourquoi le choix porté sur le Niger et surtout les enseignements que vous avez tirés de ce match, le Sénégal, qui a tenu bon et qui a inscrit le but lors des ultimes minutes de jeu, les enseignements peut-être qui vont vous servir euh, pour les éliminatoires euh, de la, Coupe du Monde, parce que désormais, euh, les éliminatoires de la CAN, c'est éliminatoires. Le choix pour le, Niger, euh, cette question, il faut poser pour le euh, staff sénégal. Mais nous, nous étions euh, en cherche un match dans, ce, dans jours que les équipes nationales qui sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique cherchent des matchs et nous, nous voulons profiter parce qu'il n'y a pas de date FIFA. pour jouer contre le Sénégal. Le Ah, le choix d'entraîner, oui, oui, j'ai pas compris. Le choix d'entraîner le Niger, euh, euh, je suis un professionnel lorsque, je, lorsque comme j'avais une expérience avec le, avec le Soudan et je commence à découvrir le monde, le monde africain, la tradition, le football, le football africain. Mais malheureusement, vous savez qu'est-ce qui se passe. Euh, au Soudan, je ne peux pas continuer avec. Euh, il n'y a pas de championnat, les joueurs ne, jouent pas. Et, c'est difficile de, continuer. Ça me présente l'occasion avec le Niger et surtout le projet du Niger. C'est euh, le premier euh, objectif, c'est de se qualifier pour la Cannes de 2025. J'ai assez de temps et aussi de construire une équipe compétitive pour les, prochaines compétitions. Donc, euh, c'est un euh, objectif euh, qui m'intéresse et je veux aider l'équipe du Niger à accomplir ça. Coach, mes félicitations pour cette victoire. Alors, vous pouvez nous dire quel enseignement tirer de ce match que vous venez de remporter face au Ménin du Niger. Merci beaucoup, Cara. L'enseignement, c'est plutôt du positif, dans la mesure où on gagne un match euh, de préparation, où on a eu quand même 10 euh, jours euh, où l'intensité a été très haute, où en réalité, ces matchs de préparation rentrait dans la, dans la, préparation. Parce que ce qui est important nous, pour nous, c'est le match quand même contre, le, contre, la Gambie. Donc euh, l'objectif aujourd'hui avec mon staff, c'était de faire participer tout le monde, donner du temps de jeu à tout le monde, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup aimé l'attitude, les comportements, même si effectivement je pense que sur ce match-là, on aurait pu quand même euh, marquer beaucoup plus qu'un but. donc euh, comme on le dit, on va continuer encore à travailler là-dessus. Mais aujourd'hui, l'objectif était, était atteint. C'était de donner du temps de jeu à pas mal de joueurs. C'était important par rapport à la, semaine qu'on a fait de 10 jours, qui a été quand même une, semaine où on n'a pas aménagé nos joueurs et, on a essayé vraiment de, travailler sur le, plan, sur le plan athlétique et sur le plan, sur le plan physique. Merci. question maintenant. Premier intervenant. Ah, on dirait qu'on va rentrer. <laughs> <laughs> non. Jibril il y a quelqu'un qui a déjà le micro. Oui, voilà. allez-y d'abord. Bonsoir coach, félicitations. Mara 10 Disport. Coach, on a vu euh, une équipe du Sénégal euh, avec une organisation euh, en 3 centraux derrière, mais ce qui nous paraît un peu bizarre, c'est quand on a le ballon, le positionnement de, de quelqu'un qui rentre dans le cœur du jeu pour organiser, et c'est un schéma souvent qu'on voit souvent avec les équipes, euh, excusez-moi, d'Arsenal et, de, Manchester City. Est-ce qu'on euh, peut attendre une équipe du Sénégal continuer à ce schéma un peu hybride vu que nous sommes à moins de 7 joueurs de notre premier match contre la Merci. Oui, comme je le, disais il y, a, une semaine, aujourd'hui, euh, nous ne bougeons pas véritablement sur notre, 4-3-3, mais effectivement, c'est un 4-3-3 qui est modulable. Comme vous le savez, euh, le match contre le Cameroun, Crépin était plus euh, à l'extérieur. Et si vous vous rappelez, c'était Pape Matassar qui était un petit peu euh, à côté. Aujourd'hui, on a, et c'était Ismaïla qui était à l'intérieur du, du, jeu. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire autrement, c'est-à-dire d'amener Crépin à l'intérieur du jeu et de laisser Ismaël, Ismaël Assar dans son poste de prédilection où il est capable de percuter, où il est capable d'apporter des, des centres. Mais en réalité, euh, je veux dire, c'est un système que les garçons comprennent. On est en train d'y travailler depuis le début de la, semaine. On a joué ainsi contre l'Algérie. On a joué ainsi aussi contre le, contre, le, contre le Cameroun. Donc nous sommes en train de le peaufiner, qui est différent un petit peu de la façon qu'on a joué contre le, Togo. Et je le dis, je le répète encore, ce n'est c'est pas le poste qui est important, c'est surtout le positionnement. Et aujourd'hui, on a vu quand même euh, dans le milieu de terrain un Pape un, un, un dans la distribution et dans l'orientation du jeu, très très très intéressant. Donc euh, maintenant, il faut qu'on continue à travailler dessus. Merci. Euh, voilà, merci Tara. Bonsoir coach. Moi j'ai deux questions, si possible. La première, peut-être vous nous faites un peu le bilan de, de parce qu'on parlait de police, non, de Boulay et de Séni qui sont éventuellement portés. Euh, la deuxième, c'est on a joué des, éliminatoires, des matchs de préparation, une dernière, une dernière rencontre aujourd'hui. Quel est le sentiment actuel à quelques jours euh, du couvent, pour l'envoi de cette 34e édition de la, de la L'ambiance est bonne dans le, dans le groupe. On a, on a énormément de, de confiance. Encore aujourd'hui, les garçons ont montré leur solidarité, malgré un match quand même sur le plan physique très difficile on a montré que dans cette équipe-là, tout le monde a été capable de jouer. Donc j'ai envie de dire que nous sommes, euh, nous avons énormément d'espoir. Nous savons aussi que nous allons à une canne où, les matchs seront disputés. Le Sénégal sera, sera, sera attendu. Mais je crois que c'est à nous de garder cette, cette sérénité-là, de préparer nos victoires. Effectivement, beaucoup de gens euh, espèrent qu'on gagne 3 ou 4-0 chaque sortie de, de, l'équipe nationale du Sénégal. Moi, comme je vous l'ai dit, la canne, c'est très compliqué, c'est très difficile. Il nous faudra rester serein, préparer nos victoires. Effectivement, ça peut se décanter euh, rapidement en première période. Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait pu se décanter aussi en première période. Mais si ça ne se, ça se décante pas, il faut rester quand même calme, il faut rester posé, il faut, il faut continuer à travailler cet adversaire-là pour se dire qu'on peut marquer ce but-là à la 90e, on peut le marquer à la 95e minute, comme on peut le marquer à la première minute, euh, comme ça a été le cas ici contre, contre Soudan. Mais je crois que les matchs doivent se préparer et nos victoires, nous devons les préparer. Il ne faut pas qu'on confonde vitesse et précipitation. L'infirmerie, euh, comme vous le savez, bon, moi je n'ai pas, <laughs> je pas, pas donné encore euh, euh, cette information-là, mais elle est, effective. C'est une information qui est, vraie. Très triste pour, un garçon comme Boulaye, un garçon comme, comme Séni. je sais qu'ils ont préparé cette canne. Mais comme je le dis aussi, euh, il est important d'aller dans cette canne-là avec des garçons qui sont à 100% de leur potentiel. J'espérais que avec euh, le staff médical que Boulay et, et, euh, reviendraient à leur meilleur niveau. Depuis que j'ai donné la liste jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Et on s'était dit que s'ils ne sont pas à 100%, on les changerait. Et les changements se feront entre Bamba Dieng qui, reviendra, il connaît la maison il sait où il est. Actuellement, il est bien aussi à Lorient. Je crois qu'il revient de blessure, c'est intéressant. Euh, et puis, euh, Alfred Gomis aussi, un autre garçon aussi qui connaît la, maison. Donc, on n'est pas non plus dans, En fait, on est dans la continuité, Je veux dire, par rapport au groupe qui est là. les, 55 joueurs, c'est présélectionné. Aujourd'hui, nous sommes en train de puiser ça. Bamba a la chance de venir parce que Boulaye s'est blessé et Alfred Gomis remplacera Sénégal. Merci, coach. Oui, euh, derrière. On de Je crois que c'est une demi-heure miel qui était trop long. Hein? Je ne sais pas si c'est une votre part pour tester votre non. Je crois que, je crois que le mariage, c'est un moment quand même assez, important. Euh, le football, c'est vrai que c'est notre vie, mais il y a la famille aussi. Il y a, des, moments de bonheur comme euh, ce que Sadio est en train de vivre. Toute l'équipe nationale, tous les gens ont, lui reproché ça. Je pense que moi en premier, de lui demander tout le temps quand est-ce que tu vas te marier. Maintenant, il s'est marié. Il a bien travaillé dans la, dans la semaine. C'est un, un, garçon en réalité qui a beaucoup joué aussi ces derniers temps. Et je pense que le fait de le laisser aussi avec euh, sa dulcinée, passer la soirée et passer du bon moment avec eux, ça peut que lui faire du bien. Voilà, nous, lui, nous lui souhaitons vraiment beaucoup de bonheur et que, et que, et que vraiment qu'il ait beaucoup d'enfants et que, comment dire, hein, Manekunda euh, se, commence avec lui, avec d'autres enfants et beaucoup de, beaucoup de choses dans ce mariage-là. Voilà. Merci. Oui, Bonsoir, coach. Félicitations. Merci. Euh, cet après-midi, vous avez fait du tournoi euh, pour la première période, vous n'avez pas inscrit le but. Euh, le but est venu en seconde période avec peut-être des remplaçants. Désormais, est-ce que vous avez des doutes par rapport à votre 11 de départ Ou plutôt, vous avez des certitudes désormais surtout par rapport à l'entente euh, du, tournoi. Euh, deuxième question, on a vu non ou bien eu des équipes favorites, le Maroc, qui est parti beaucoup plus tôt à San Pedro. Vous, vous êtes resté, peut-être vous allez partir demain. Mhm. Pourquoi vous avez fait le choix, surtout que vous allez cette fois-ci jouer à, euh, pour votre première rencontre à 14 ans Le choix de... Le choix de... Quel choix jusqu'au 9. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a la il y a énormément d'améliorations dans nos, dans, nos, dans, nos, infrastructures aujourd'hui. Rappelez-vous, il y a quelques années, il était difficile pour nous de, de faire une préparation ici au Sénégal parce qu'on n'avait pas les infrastructures. On passait notre temps à, aller en, en, Europe ou aller dans d'autres pays africains. Aujourd'hui, avec euh, ce stade-là, avec le stade annexe, aujourd'hui, les conditions sont réunies pour nous de pouvoir nous préparer ici, rester ici. Et c'est cette option-là que nous avons, nous, avons, nous avons pris. Et n'oubliez pas qu'on a encore une semaine. Demain, normalement, on devrait voyager. On devrait aller voir le, président de la République, Macky Sall, pour qu'il nous remette le, drapeau. Et après, par la suite, on a tout le temps de, de rallier Yamoussoukro, on arrivera et, installer notre, notre base. Donc, en fait, on n'est pas, pas en retard. C'est une euh, c'est quelque chose qu'on avait, qu'on avait prévu ainsi. Maintenant, c'est vrai que, comme je le dis, on a, on a, on a, on a 27 bons joueurs. Et je le dis, euh, dans cette équipe-là, tout le monde est capable de jouer. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu des absences, mais les gens qui sont là, ils ont montré aussi à quel point ils, étaient, ils avaient envie de, envie de jouer. En première période, c'est vrai, il y avait une équipe qui était constituée, qui a fait de très bonnes choses, je pense que, qui aurait pu marquer même dans cette, dans cette période-là. En deuxième période, c'était prévu aussi avec le préparateur physique que, à part peut-être un ou deux joueurs qui pouvaient terminer le match à l'heure de jeu ou bien à la mi-temps, on allait, on allait changer de, groupe. J'ai beaucoup aimé leur, leur réaction, j'ai beaucoup aimé leur rentrée, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils sont en train de faire et je pense que c'est ce qui est important. Pour gagner, ce n'est pas seulement une histoire de 11 joueurs, mais c'est une histoire de 27 joueurs. Parce que ce qui ne joue pas, c'est qu'ils pousse aussi les autres qui, qui jouent à se remettre en question et être à niveau. Et aujourd'hui, bah, ça me fait plaisir. J'ai la possibilité de pouvoir changer d'équipe, j'ai la possibilité de donner du temps de jeu, j'ai la possibilité d'apporter aussi la concurrence, parce que nous savons que sur un laps de temps de un mois, bah, il nous faudra être prêt. Et c'est pour cela qu'on a donné du temps de jeu aussi à des garçons que vous n'avez pas l'habitude de voir tout le temps. Et ça fait que tout le monde est concerné. On prend la dernière question. Bonjour, Bonjour. Oui. Euh, le Sénégal va à la rencontre du Chili. Mhm. On sait que le bac du bac est extrêmement difficile. Peu d'équipes l'ont réussi. Une compétition est plus facile que le contact. Sur le plan mental, qu'est-ce qui est fait pour que cette équipe du Sénégal soit vraiment prête pour aller le contact Est-ce qu'il y a en plus un préparateur mental ou bien il y, a, un volet pour vous ajoutez à la préparation psychologique ben Écoutez, déjà moi je suis un préparateur mental. <laughs> Mais, mais, mais, c'est vrai, on peut, on peut l'imaginer, on peut se dire qu'il y a d'autres écuries qui le font, il y a d'autres pays qui le font, qui se déplacent avec un psychologue euh, pour justement préparer euh, les joueurs. Maintenant, comme je dis, cette, euh, cette option-là, en réalité, nous, nous ne l'avons pas, pas choisie. Pourquoi Parce que nous pensons que, même si ce n'est pas notre travail, la préparation mentale, mais je crois qu'on arrive à trouver les mots qu'il faut pour toucher le cœur de ces, de ces, de ces garçons-là. C'est ce qu'on a toujours fait en 2017, c'est ce qu'on a fait en 2018, c'est ce qu'on a fait en 2022. Je le dis, quand c'est important, nous savons nous, nous remobiliser. Et c'est des garçons, je n'ai pas besoin d'être derrière eux. Ils savent pourquoi ils sont là. Et ce qu'ils ne me donnent pas, c'est parce qu'ils ne l'ont pas. Mais je pense que mentalement, ils sont quand même euh, assez costauds. Et on a montré encore cet après-midi, malgré un match assez compliqué, on a montré qu'on n'abandonnait pas, on a montré qu'on était capable de nous battre jusqu'à la 94, jusqu'à la 95e minute. Et c'est ça le mental, en fait. Voilà, donc euh, ça, j'aime bien cette attitude et ce comportement-là. merci Wow, d'abord euh, match nous avons gagné match bu comme je dirais gagner gagné petit ci sport loolu moo gën a solo mais match de bi pour qu'un match de préparation là. Pour mener match de préparation euh, semaine bi calculer où nous, fraîcheur ou jury. au contraire Daniel leen pousser pour que justement sur le plan athlétique euh, que nous puissions préparer en réalité match contre Gambie match bu solo pour ñun suñu préparation de match contre le mais surtout match contre contre contre Gambie donc euh, xam naa ni que métti sur le plan sur le plan athlétique mais l'objectif c'était d'abord constituer équipe une première équipe bon xam le jouer première mi-temps bi deuxième mi-temps bi ñu changer équipe bi doit encore un joueur je crois que le tax c'est parce que dañu bëgg tamit concernés yépp concerné que nous avons que pour gagner la Coupe d'Afrique de seulement 11 joueurs pour gagner la Coupe d'Afrique il faut quand même que ñu am 27 jours wala 28 comme s'appelle ou 25 jours yoo xam ils sont concernés tey am nañ possibilité jox temps de jeu xale donc mën naa wax ni que préparation bi jeex na dañuy jublu ci compétition bi nga xam ne mooy moo war lundi. waaw ci forfait forfait yi moom euh, loo xam ne la lu ñu lu ñu bon lu ñu lu ñu naqari la parce que bu doon suñu sagoo ñu dem ak euh, Boulaye dem ak Séni mais football moo demee noonu tamit xam naa ni xale yooyu ñoo xam ne duñu duñu dem ci kan bi muy Boulaye ak euh, Seydi loo xam ne la lu leen lu leen metti la mais comme je dis football moo demee noonu te comme nu ma ko waxee rek ci conférence de presse bi de publication de liste bi que Sénégal du dem Coupe d'Afrique bi euh, te demul ak meilleur joueurs yoo xam ne yàlla may ne leen wér donc euh, tey c'est important comme Boulaye amul wér ñu ngi koy ñaanal vraiment yàlla may ko wér ci club bu muy nu mu tudd fu muy dellu noonu ci clubam c'est Seydi tamit di ñaanal ñaanal yalla vraiment ñu ñu dellu ci wat encore ci ci terrain yi donc euh, forcément bu ñu amé ñaari xalé yo xamné bokku ñu ci groupe bi dinañ leen wara remplacer té suñu suñu choix dafa dem ci ñaari xalé yo xamné ñom ñoom xam nañu déjà tanière bi muy Bamba Dieng ak euh, ak euh, ak Alfred Alfred Gomis. yaakaar naa mot na sëkk. alors coach vous avez rassuré le public sénégalais ak ak.

mu am temps tamit communication donc euh, communication bu jotee xam ngeen ni xel ni que def naa ko woon bi ñu demee Bafoussam déplacé woon naa ñëw waaw mën nañu am yaakaar tamit que premier tour bi ñëw nii yàlla bu ñu defalee xéewal ba xam ne match bi match suñu trois match yi gagné nañ leen ba dem nañu premier tour bu soobee yàlla amul benn problème mën nañu ñëw ñu réunir encore ñu def évaluation premier tour boobu loolu gisuma si benn problème comme dama ko waxee rek bitim réew lañ jëm te ñun ñooy Sénégal man wuti ndam li nañ wax kon yéen ci ngeen bokk tamit waaw bu ñuy gagné yéen la tamit. Teve Deus.